Chères auditrices et auditeurs du studio Kalangou, bonjour. Il est 11h à Niamey et c'est l'heure de l'émission Le Niger sur Kalangou. À la présentation, c'est le duo Ali Moukela Housseni alias Seno et Mariam Adé. Mariam, bonjour, comment vas-tu Ça va très bien, Seno, et toi Ça va, Alhamdulillah. Alors, on a quoi menu aujourd'hui Mariam, on va décoller pour une heure d'actualité et de divertissement. En effet, Seno, aujourd'hui, nous allons tenir compagnie à nos chers auditeurs pendant une heure avec un programme bien croustillant composé d'un flash d'informations et de la bonne musique nigérienne. Et oui, ensuite, euh, nous ferons un tour en région pour le reportage des régions. Nous aurons la rubrique hebdomadaire. Après, on aura aussi le loti préparé par l'équipe femme du studio Kalangou et la passeport. Et comme invité, Mariam, nous recevons Monsieur Mbandigim Maoundé Josier, j'espère que j'ai bien prononcé le nom, alias Tonton Aspirine. Il a été élu meilleur humoriste aux Awards de Tarmamou 2024. Tout au long de cette édition, nous serons accompagnés par Kader Chambiano qui assure à la technique et bien évidemment Moussa Hassan à l'édition. Chers auditeurs et auditrices, pour débuter, suivons le flash d'information avec Refika Tahera. Bonjour Refika. Bonjour Mariam, bonjour Seno. Bonjour. Alors, pour ce matin, la Banque mondiale, dans un communiqué le 30 septembre 2024, projette une croissance de 5,7% en 2024 au Niger et le rétablissement partiel des financements. Ce rebond serait tiré par les exportations du pétrole, tandis que les secteurs non pétroliers, à savoir les industries et services qui ont subi de lourdes pertes en 2023, peinent à se relever. Le communiqué précise que compte tenu des prévisions de croissance, le taux la pauvreté devrait diminuer à partir de cette année pour s'établir à 42,5% d'ici fin 2026. Cette projection suppose que la production agricole progresse fortement et que la hausse des revenus pétroliers soit efficacement exploitée au profit de la population. Mahama Samir Bandaogo, économiste senior à la Banque mondiale et co-auteur du rapport, souligne qu'il est crucial de concentrer sur l'amélioration de la productivité en investissant notamment dans le domaine de l'éducation. Selon lui, ces mesures consistent notamment à améliorer l'efficacité des dépenses de l'éducation et à renforcer la mobilisation des recettes intérieures, tant pétrolières que non pétrolières, pour disposer d'une marge de manœuvre budgétaire accrue de manière durable. La lutte contre la criminalité à Niamey continue avec l'interpellation de cinq bandes de malfaiteurs démantelées composées d'individus de 18 à 55 ans, dont une femme et trois étrangers. C'est un coup sévère récent à la criminalité donné par la direction de la police police judiciaire. Ces bandes de malfaiteurs étaient engagées dans divers délits allant des vols de nuit aux fraudes par fausse monnaie. Enfin, le principe de la non-violence, connu également sous l'appellation de résistance non-violente, rejette le recours à la violence physique en vue de provoquer des changements sociaux ou politiques. Ce 2 octobre est célébré, vous l'avez compris, la journée internationale de la non-violence, jour anniversaire de la naissance de Mahatma Gandhi, chef du mouvement pour l'indépendance de l'Inde et pionnier de la philosophie et de la stratégie de la non-violence. Cette journée est l'occasion de diffuser le message de la non-violence, notamment par des actions d'éducation et de sensibilisation et favoriser une culture de paix, de tolérance et de compréhension. Et voilà pour le flash de ce matin. Merci, Rebecca. Passez une excellente journée. Merci. Voilà, chers auditeurs, comme annoncé tantôt en début d'émission, nous recevons ce matin Monsieur Tonton Aspirine. Il est humoriste, il fait également du stand-up. Bonjour. Bonjour. Merci de nous honorer de votre présence dans cette émission. Plaisir partagé. Voilà, avant de vous donner la parole, ou disons avant de rentrer dans le vif euh, de nos échanges, nous allons d'abord consommer de la musique, une façon de permettre également à nos auditeurs de bien s'installer dans cette émission. C'est parti avec le titre euh, Armée du fait Maman Barka. ka bani mace ta kirki. Allah ka bani diya da ɗa'a mai ladabi mace mai biyayya. Allah ka bani diya da ɗa'a mai ladabi mace mai biyayya. ta daɗi har mai shi dali Allah ka bani mace ta kirki. Har mai na san akwai na dole, dole ka zo kuma dole ka ɗauka har Har mai akwai irin na dubara, ka ba da gero a baka tsakuwa har mai. yarinya ta da samu arme arme akwai na karhi da yaji tunda ka zo a yi dole ka ɗauka arme arme na san akwai na gado a ɗauki uwa a baiwa dangi arme arme akwai irin na shaidani tunda kina soje ki ki zauna arme kanki kar a gaba ki ce an kware ki kai dan na ka zabi da kanka kar a gaba ka ce na shiga uku arme dadi arme dali, arme dadi arme wahala arme da dadi arme dali, Allah ka ba ba dalili da wani arman gara a watsi arman da ba hujja ba dalili ka armi mace ka kai ta gidanka ta zagi uwarka ta zagi ubanka da wani arman gara harawa arman da ba hujja ba dalili ɗauki jinjira a baiwa jinjiri ya kan yaro sai dai su rungumi juna su faɗi armi haka kana gida rike tumurinka da ya sallube ka shiga uku uwar gida rike mai gidanki amma matsayin da kwai soyayya da kun soyayya arme daɗi arme dali, arme daɗi arme wahala arme da daɗi arme dali, Allah ka bani mace ta kirki arme na san akwai na dole arman da ba hujja ba dalili Ewi arme da daɗi armée armé Wahala. Le mariage est doux, le mariage est amer, affirme Maman Barka dans ce titre armé qui veut dire mariage en langue Hausa. L'artiste Maman peint dans ses morceaux armés l'image positive du mariage et aussi son côté exigeant tout en souhaitant d'avoir le bon partenaire. Nous espérons que vous avez kiffé ces morceaux. shaidani arman da ba hujja ba dalili arme daɗi arme shi dali arme daɗi arme wahala arme da daɗi arme shi dali Allah ka bani mace ta kirki Voilà, chers auditeurs, euh, après cette belle sonorité musicale, retour au studio avec notre invité du jour, Tonton Aspirine. Rebonjour. <laughs> Bonjour à toi également. En forme Oui, ça va aller. Je rappelle que vous êtes euh, artiste et humoriste, vous faites également du stand-up. Alors, une façon de dire bonjour à nos, à nos auditeurs, artistiquement parlant. Mmh, artistiquement parlant, <laughs> c'est compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué euh, Bon, ça va, ça va. Sinon, c'est le nom du studio là. Moi, quand j'ai écouté Studio Kangourou, j'ai dit, ah, ça c'est quel eh, studio encore C'est pas Kangourou, c'est Kalangu. <laughs> c'est ça, j'ai moi, oh, moi j'ai peur des kangourous. quand je venais, j'ai dit, ah, ou bien c'est les kangourous qui travaillent là-bas, ou bien je suis venu jusqu'à devant la porte là. J'avais peur d'entrer. Juste c'est quand je suis rentré, je vous ai vu. C'est là où mon cœur est revenu comme ça. <laughs> c'est là où j'ai bien lu C'est kalangou. J'ai dit, ah d'accord, on m'a mal renseigné. Moi, j'ai dit en tant que kangourou. Voilà. <laughs> voilà, amis euh, auditeurs, c'était là Tonton Aspirine, une façon de vous dire bonjour. En tout cas, euh, Studio Kalangu, ce n'est pas Studio Kangourou, voilà. <laughs> Donc, euh, pour aller directement avec nos échanges, Tonton Aspirine, je commence d'abord par vous dire félicitations pour avoir remporté le prix de meilleur humoriste en stand-up aux Awards Tarmamou 2024. Alors, dites, c'est 2024 Oui, mais oui, Moïse, c'est l'année 2023. <laughs> ok, d'accord. Alors, euh, qu'est-ce que cette distinction représente pour vous euh, dans votre carrière Bon, d'abord, ça fait plaisir. Mm. Ça fait énormément plaisir. Euh, secondo, ça prouve que le travail qu'on est en train de faire est en train d'être suivi par des gens, est en mm. train d'être apprécié par des gens. Et ça donne vraiment une satisfaction, ça donne vraiment la motivation, le courage de continuer par travailler sans baisser les bras. Euh, et pour finir, c'est quelque part, ça met aussi une petite pression. Parce qu'avant, j'étais un simple humoriste dans mon coin. Je peux être invité à aller taper poteau, personne ne va se remarquer. Mais maintenant, là, meilleur humoriste. Quand je suis invité quelque part, tout le monde veut voir euh, humour de meilleur humoriste. Donc, <laughs> ça fait qu'on est obligé de doubler encore de travail. Et c'est vraiment une bonne chose. C'est vraiment une bonne chose. Alors, on aimerait savoir comment est née votre passion pour l'humour. Bon, comme vous l'avez dit, c'est une passion. C'est une passion et euh, elle est née dès depuis l'enfance. Déjà, quand on était enfant, pendant les Noëls, on a commencé par faire un peu le théâtre à l'église et tout. Et bon, c'est comme ça que j'ai évolué. L'amour a continué par grandir également au fur et à mesure que je, je grandissais. J'ai beaucoup plus évolué dans le théâtre, dans mon enfance et tout. C'est en 2019 que j'ai embrassé la carrière de l'humour. Euh, voilà, donc je remercie déjà le président Maman euh, Hiro. Le, président, de, la rue, publique. Rue Voilà, préciser, parce qu'il y a plusieurs présidents. le président de la rue publique, parce que c'est vraiment lui qui m'a tendu la main à travers euh, son comédie club, le cabaret des règles et également son festival euh, euh, auquel euh, j'ai eu à me former. J'ai eu à me former, j'ai eu à faire des rencontres avec euh, des grands humoristes de la sous-région qui venaient au festival, voilà, et également avec les artistes locaux mm. auxquels on a travaillé. Donc euh, en 2019 et voilà, en 2023, l'année passée, j'ai lancé ma, je peux dire ma carrière en tant que telle a pu démarrer en tant qu'artiste humoriste avec mon premier spectacle One Man Show à la galerie Taoido l'année passée, qui était vraiment un succès. Et bon, voilà un peu ça. Alors, le nom Tonton Aspirine est très original. Alors, pouvez-vous nous expliquer l'origine de ce surnom y a-t-il une histoire euh, derrière euh, Absolument, absolument. Il y a une histoire parce que à l'époque, dans mon village, quelle que soit la maladie dont tu souffres, c'est aspirine, on te prescrit. Et c'est comme ça que moi, j'ai décidé de porter même aspirine pour que quand quelqu'un est malade, dès qu'il me voit, il reçoit sa guérison. Et là, ce matin, je suis en train de voir dans vos yeux les goumins que vous avez. Dès que vous m'avez <laughs> vu, voilà, vous avez votre guérison comme ça. Voilà, donc, euh, tonton aspirine, bon, bon, ça c'est plus pour jouer. Sinon, aspirine, on sait tous que c'est un antibiotique. Voilà, donc euh, très accessible, très moins cher et voilà, qui euh, est facile à trouver et tout. Mm. Donc, euh, et je prends l'aspect du rire qui est thérapeutique. Voilà, ça guérit le stress, ça guérit beaucoup de choses. Donc, je me suis dit, euh, pourquoi ne pas euh, prendre un nom d'un médicament mhm. Voilà, pour pouvoir. Euh, donc, aspirine, c'est ce côté-là, ce côté médicament, ce côté thérapeutique et tout. Euh, et tonton, c'est généralement quand on dit tonton, c'est l'ami de papa, c'est le frère de papa. Et euh, en Afrique, quand on voit une grande personne, c'est symbole de la sagesse, voilà et tout. Donc c'est faire rire, voilà, mais dans la sagesse pour ne pas heurter quelqu'un, pour ne pas blesser quelqu'un et tout. Donc euh, faire rire pour faire partir les stress, pour faire partir les soucis et tout, mais dans la sagesse. Donc voilà un peu tonton aspirine. Super. Super alors. Alors euh, dites-nous quelles sont les thématiques que vous, que vous abordez D'accord, les thématiques que j'aborde, c'est moi-même en tant qu'agent de santé, j'aborde beaucoup plus, en tout cas ma première ligne, euh, se trouve beaucoup plus au niveau de, de la santé. Donc, euh, un peu ce qui se passe dans nos hôpitaux, que ce soit de la part des médecins, des infirmiers, des sages-femmes euh, ou bien des, des patients eux-mêmes, des accompagnants. En tout cas, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Il y a ce qui ne doit pas se faire qui se fait. Il y a ce qui doit se faire mais que les gens ne connaissent pas. Il y a beaucoup de choses. Donc, euh, beaucoup plus quand j'aborde. L'année passée, même à mon One Man Show, le titre était La consultation. Donc, on a symbolisé euh, un, euh, comme une consultation en direct. Voilà, on était là, on, a pris des, thèmes pour pouvoir sensibiliser les gens, pour pouvoir parler aux gens et tout. Donc, ma première ligne de mire, c'est vraiment le domaine de la santé. Euh, voilà, maintenant, à part ça, je suis aussi beaucoup plus dans l'actualité. Voilà, parce que les gens aiment suivre l'actualité. Euh, quand quelque chose ne va pas, euh, voilà, ce que les gens disent bah, nous on essaye de dire tout haut. Si aujourd'hui, s'il y a inondation ici, on dit demain, s'il y a telle chose ici, on essaye de dire même si au Kalangu, c'est pas parce que vous m'avez invité ici. Demain, si vous faites quelque chose qui va pas, je vais pas dire. Voilà, donc c'est un peu ça. <laughs> Très intéressant ce que vous êtes en train de dire, tonton Aspirine. Avant de poursuivre, marquons une petite pause musicale avec ce titre suite du groupe MDM Crew. que je, rêve de toi Tu me donnes envie de planer, suite Et quand je te vois Tu me fais danser, baby, quand j'entends ta voix C'est ta sœur qui était ma reine, fais de moi ton roi Dis-moi que tu fais de moi juste et tu verras ce que moi je ferai de toi Ma sweet girl, my heart flies only for you I do not see that for you, my baby says for me And I will rain for you ah, Baby girl, t'es ma sweetie angel, let me fly with you My baby, baby My sweetie, sweetie My lover, lover Your beauty under my eyes Oh my lady into Toi et moi c'est pour la vie La la qui de C'est toi que j'ai choisi Your beauty into my eyes Devant Dieu moi j'ai fait le serment de t'aimer bébé pour la vie hey. Eh, baby girl crois-moi crois-moi c'est pas pour une seule nuit eh, Quand je te regarde Et quand j'entends ta voix Je quand je te regarde, et quand j'entends ta voix. L'amour, quoi de plus bon que toi Sans toi, sans aucune raison de vie. I am so happy, cette fois j'ai trouvé ma darling. I am so happy, laisse-moi t'appeler ma homie cœur. J'aurais bien aimé être ton ombre, t'accompagner, te protéger du mal qui nous encombre. T'es ma flamme, notre avenir, n'aura plus de consombre. Pour sceller notre union, je combattrai tous les hommes. Baby girl, sans toi ma vie ne fais pas des pères sont Qui ne de me branche, je suis animé que parler les deux Baby girl, c'est grâce à toi que je me tiens debout. Je ne veux pas me séparer du toi, impense tout. Oh, baby, oh, qui t'es belle. Pourtant, j'initierai un amour, le prix Nobel. Comment ton nom sera celui de mon futur label. Le coup de tes lèvres me rappelle beaucoup celui de et oui, le groupe euh, de rap MDM Crew incarne l'essence même de l'authenticité artistique, euh, rien que à travers euh, leurs chansons, chers auditeurs, vous arrivez quand même à comprendre ce qui se passe en termes d'authenticité, d'authenticité, voilà. Ah, je vais y arriver. Hein. Et bien évidemment de l'engagement culturel que ce groupe incarne. Formé par les frères talentueux Majesty Soul et Sir Muslim, leur parcours musical a débuté en 2004 avec le titre emblématique La Faute. Depuis lors, leur ascension dans le paysage musical nigérien a été une époque extraordinaire. À travers leurs paroles percutantes et leurs rythmes distinctifs, MDM a réussi à captiver le cœur du public nigérien. Leurs chansons ne sont pas simplement des mélodies mais des témoignages vivants euh, de la réalité quotidienne, créant ainsi une connexion profonde avec euh, leur auditoire. Bien évidemment, les frères euh, dépeignent avec habilité les défis et les triomphes et les aspirations également du peuple nigérien. Ces dieux exceptionnels ne se contentent pas de maîtriser l'art du rap, mais sert également de porte-voix pour la jeunesse, évoquant des questions sociales cruciales. Leur engagement envers l'authenticité musicale et leur capacité à rester fidèles à leurs racines font d'eux des icônes respectées de la scène musicale africaine. Tout à fait, Mariam, tout en espérant que nos chers auditeurs ont kiffé euh, ce titre du groupe MGM Crew. Retour au studio avec euh, notre invité du jour, euh, Tonton Aspiré, qui est en train de nous soigner en cette matinée. <laughs> Alors, tonton Anspirine, euh, on revient à vous. Euh, dites-nous, selon vous, quel est le public, quel est le plus grand défi auquel font face les humoristes au Niger Ok, le plus grand défi, c'est la méconnaissance même de l'art. Hmm. Euh, l'humour est encore jeune, c'est pas encore très connu par le public nigérien. Et c'est un très grand défi parce que ça fait que quand il y a un événement d'humour, euh, c'est moins connu, euh, il faut mettre beaucoup d'énergie, il faut mettre euh, voilà beaucoup euh, pour pouvoir euh, sensibiliser, pour avoir un petit public et tout. Donc le travail, c'est vraiment que les humoristes nigériens qu'on puisse vraiment se mettre main dans la main, voilà, pour pouvoir travailler déjà ce côté afin de euh, de faire connaître euh, notre art par le public nigérien. Parce que même euh, dans les grands rendez-vous, souvent on a tendance à oublier l'humour. Voilà, donc ça veut dire que c'est pas vraiment connu encore. Tu vois, on invite tout le monde, les slameurs, voilà, les chanteurs, des trucs et tout, mais on oublie les humoristes. Ça veut dire qu'on n'est pas encore connu. Il faudrait qu'on puisse travailler pour vraiment avoir une petite place. en tout cas, c'est vraiment le plus grand défi, comme, comme, comme le nom l'indique. L'humour a souvent un rôle social et parfois politique. Comment utilisez-vous votre art pour traiter les réalités sociales ou des enjeux qui touchent la société nigérienne Un de nos aînés euh, sénégalais a dit euh, l'humour, c'est le seul travail hmm. où tu viens, voilà, tu t'amuses et puis après on te paye. Voilà, donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment ça, ça ce côté-là qui nous permet vraiment de dire tout ce qui il ne va pas. Ça, ce côté-là de dire, euh, d'insulter même quelqu'un, la personne peut rire normalement. Voilà, donc c'est vraiment ce, côté-là qui fait que aujourd'hui, par exemple, il peut avoir quelque chose, il peut avoir un problème même sur le plan politique, euh, voilà un journaliste peut aborder, on peut mal voir ça, parce qu'avec son statut de journaliste, on peut le prendre directement pour dire non, il est en train de critiquer. Mm. Quand un humoriste va aborder la même chose, tout le monde va rire avec, et puis chacun va dire, ah, c'est un humoriste, machin. Mais le message passe quand même. Mm. Donc c'est ce côté-là qui nous permet vraiment de, de pouvoir... Euh, euh, sortir les mots voilà, qui minent la société quand quelque chose ne va pas, quand on a un souci ici, quand aujourd'hui si on augmente un peu le prix du pain, nous demain en même temps nous on sort, on prend nos caméras, nous on fait nos vidéos, on commence par balancer. Personne ne va voir ça. Demain s'il y a telle chose, nous on sort en même temps, on essaye de, on essaye de dire, on essaye de dire et voilà, ça passe, ça passe normalement. Ça passe. Alors, quels sont les, moments les plus marquants de votre carrière Vous avez dit que vous avez débuté en 2019. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Quels sont les moments les plus marquants euh, de votre carrière jusqu'à présent et comment avez-vous évolué en tant qu'artiste au fil du temps Ok, euh, les moments qui ont marqué la carrière, c'est, euh, je crois que c'est en 2019 quand j'ai fait mon tout premier sketch. Euh, mon tout premier sketch, c'était mon tout premier sketch d'humour. Et quand je l'ai présenté, ça a vraiment pris. Les gens étaient contents, les gens. Et vraiment, c'est ce qui m'avait donné vraiment la confiance en moi. Mm. Voilà, de pouvoir continuer. Ce jour-là, j'ai vu que, waouh, si euh, avec un tout premier sketch, j'ai pu vraiment faire ce que j'ai fait. Ça veut dit que je peux vraiment faire quelque chose dans ce domaine. Et depuis ce jour, cela m'a vraiment donné une assurance. Mm. Euh, et je continue avec. Et ce sketch, jusqu'à présent, euh, c'est un sketch culte pour moi. <laughs> c'est vrai, c'était le tout premier sketch. Aujourd'hui, voilà, j'ai travaillé un peu avec beaucoup plus de temps. J'ai dû l'améliorer un peu pour le rendre un peu plus professionnel. Mais jusqu'à présent, ce sketch, il est. Mm. Et quand je le joue, il continue toujours pas marqué, Donc c'était vraiment euh, un premier truc qui m'a tellement marqué. Le deuxième truc, c'est à mon spectacle One Man Show l'année passée, il y avait vraiment de la mobilisation. Les gens étaient sortis, les gens étaient nombreux. Quand j'étais sorti, quand on m'a annoncé que j'étais sorti de la salle, j'ai vu le public, j'ai dit waouh. c'était <laughs> c'était vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et le troisième, voilà, c'est naturellement le trophée. Ah. <laughs> Ah, c'était ce jour, j'étais chez moi, j'étais hein. rentré chez moi à 2h du matin. Mm. Honnêtement, je n'avais pas sommeil. Jusqu'à 6h, 7h, j'étais resté juste debout. Je n'avais pas sommeil, j'étais juste là, je regardais le trophée, je, je répondais aux messages un moment, je suis allé même à la toilette. Eh. Bon, je suis allé, je suis resté comme ça. Je n'ai pas fait pipi, j'ai pas il n'y a rien. Je suis ressorti tranquillement. Avec le trophée <laughs> Non, pas avec le trophée. je ne vais pas mener le trophée au WC quand même. <laughs> Alors, Alors, tonton Aspirine, dites-nous, avez-vous des modèles dans le monde de l'humour Oui, effectivement. J'ai des modèles. Mon tout premier modèle, c'est vraiment la légende Go Michel. Ah. Voilà, Joe Michel, c'est mon tout premier modèle. Dans son originalité, dans sa façon de faire des trucs et tout, c'est vraiment mon tout premier modèle. Il y a également le, Adam Adaiko. Voilà, également lui dans sa façon de concevoir euh, euh, sa scène, mm. euh, des trucs et tout. Mon premier spectacle, One Man Show même, je l'ai conçu un peu à sa façon de faire. Mm. Il y a également Urich Takam du Cameroun, voilà, que j'apprécie beaucoup qui est resté lui-même jusqu'à présent dans, ce qu'il <coughs> fait. Il y a également Moussa Petit Sergent du Burkina Faso mm. et il y a également Welfar Kaya du Congo. Ah, la liste est longue. <laughs> la, liste est longue. Alors, dites-nous, euh, quels sont vos projets futurs Est-ce que euh, le public peut s'attendre à de nouveaux spectacles ou même une tournée après votre succès au Tarmamou Ok, les nouveaux projets, euh, bon, les projets à venir, il y en a. Donc, déjà dans deux semaines, d'ici le 15, la semaine suivante prochaine, je suis en train d'aller à Abidjan pour le compte du Parlement du Rire. Ah. Voilà, donc. Euh, euh, ça, c'est très je, bien. Je joue le 16 euh, octobre au Palais des Cultures. En même temps, j'invite ceux qui sont à Abidjan de sortir massivement ce jour pour prendre part à l'émission. C'est en direct, c'est gratuit, tout le monde peut venir participer. après ça, en novembre, je, déjà en début novembre, je suis en train de vouloir me lancer aussi beaucoup plus dans le web également. Voilà, parce que je fais beaucoup plus la scène et là, je, je, décide cette fois-ci de euh, rentrer un peu dans le web également pour pouvoir travailler un peu ce côté. Donc, euh, en début novembre et en fin novembre, le 29 novembre, qui est le jour de mon anniversaire, je serai en spectacle One Man Show 2. Voilà, ah. ça sera mon deuxième spectacle One Man Show. Donc euh, bientôt, euh, on va sortir avec les visuels pour communiquer sur le lieu, voilà, sur euh, l'heure, le prix d'entrée mhm. et tout. Donc j'invite vraiment les gens à pouvoir vraiment sortir les partenaires, les sponsors pour pouvoir vraiment nous soutenir, vraiment nous aider, surtout pour le spectacle de pouvoir vraiment nous tendre la main parce que c'est n'est pas facile. On a un budget. Quand je vois mon budget, je vois un 5 et puis je vois beaucoup de zéros comme ça. Moi-même, j'ai peur. <laughs> Donc vraiment que les gens ne puissent pas. Ils peuvent euh, euh, nous aider en achetant les tickets. Ils peuvent nous aider à prendre en charge un de nos services. Mm. Ils peuvent par exemple nous offrir la location de, de la sono. Ils peuvent nous offrir la location de l'espace. Ils peuvent même offrir euh, la tenue de l'artiste. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui peuvent vraiment nous <coughs> venir pour, pour nous les donner. Et peut-être que je vais laisser mon contact. Pour ceux qui veulent euh, nous contacter, je réponds au 89 82 50 82. Là, vous appelez, c'est directement moi. <laughs> Pourquoi directement Ah, c'est directement moi, c'est directement moi. Ok, Tonton Aspirine, merci infiniment d'avoir euh, répondu présent à notre invitation et nous vous souhaitons une excellente journée et bon vent dans votre carrière euh, d'humoriste. Merci, merci beaucoup. Merci à vous, merci au studio, merci pour cette première collaboration que j'espère, ça ne sera pas la dernière. <laughs> Inch'Allah. Merci infiniment. On prend une petite pause, on revient juste après. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. C'est nos places à présent la rubrique hebdomadaire consacrée à l'environnement. Oui, Mariam, en effet, euh, nous allons parler de la rubrique environnement et nous allons directement euh, à Arlit. En effet, Mariam, comme chaque année, pendant la saison pluvieuse, le bois de chauffe est devenu très rare euh, dans la ville d'Arlit. Effectivement, l'impraticabilité des routes causées par les fortes précipitations et la non-disponibilité du bois en quantité dans la région ont, n'est-ce pas, accentué l'inaccessibilité au bois pour euh, les ménages et autres petits commerces à Arlit. Cette situation a rendu difficile la, la, vie de la population qui se voit obligée de chercher des solutions alternatives, notamment l'utilisation du gaz domestique. Le reportage de notre correspondant Moutar Abdullahi. kamar kowace shekara irin wannan lokaci na dama na yaccen tuya da al'umma suke amfani da shi wajen girka abinci ko tuya da dai sauransu yake yankewa sakamakon ruwan da ke cika gulabe inda ake samu icce a doko shi domin kawa gari don sayarwa al'umma hakan ce ta sake faruwa a wannan shekara domin an haka a gunduma lil sama da wata ɗaya da motocin iccen suka rage shigowa da icce a garin abin da ya haddasa tsadar icce a garin a wuraren da ake iya samun sa inda galibi kaso tamanin cikin 100 na masu sana'a sai da iccen suka dawo yan zaman jiran yadda Allah ya da mu malama Hasiya ɗaya ce daga cikin mata da ta rungume sana'a sai da icce don samun abin kula da kai in ta mini ƙarin bayani kan halin da suke ciki wallahi ya bace yanzu babu ita saboda Allah guda ce jika 350 maskaranta jika 40 ozu fore jika 5 jika 400 ba biyar haka zaka zuba a zuba maka ice kun babu zancen bashi kudi ne hannu duk mu dai nan biyar 20 na saida eh waskare guda 25 fita sai da kyan wata ran ake hita wata ran ma ba a samu komi wallahi sai ka faɗi mu dai wannan al'amari Allah ka mu dauki kurum iccen tuya gunduma alita ya kasance abinda al'umma masu karamin hali suke amfani da shi wajen girka abinci ko yin hura sannan masu ƙananan sana'o'i irin su babbar kamalku tuya ƙosai waina gashin nama da dai sauransu sun fi aiki da shi saboda sauƙin kuɗi to kowane yanayi suke ciki kan yankewar iccen Malam Isu matashi ne da rungumar sana'a sai da malku ya bai mini yadda abin yake damun su. Can jikka biyu yana iya maka aiki a wuni to yanzu can jikka hudu ko jikka biyar da kyar za a saka ma aiki. Idan malkun ga an da an gyara shi an babbake kayan ka je ka samu ucin sha biyu ta yi ko zuwa kare ɗaya to ka gani loshi ne ka je neman shi tun inda za a cewa ka je ka samo shi da ka buga moto ka je can sai a ce maka can ma babu shi. sai ka tambayi mai ka ce yanzu ina za ka samu sai ce ka tai wuri kaza can ma da ka tai sai ka sake har layi ake yanda ka sa an kawo shi mota shinkawa haka ake layi mota ya ce ta zu. ko baya ga masu sana'o'i magidanta ma sun ce abin ya shafe su sosai da yanzu da abin da suke badawa na cefane sai sun kara kamar yadda tasu sani ɗaya daga cikin magidanta yake shaida mini. gaskiya ice ya yi wahala tunda da ice kana gani idan ka je ka ba da dala hamsin kana iya samun wanda zai maka girki ya maka abinci hamma tana yawa sai an dan kashe kwara guda to amma yanzu gaskiya iccen dala hamsin ko miya ba zai maka ba saboda babu ita shi ne tunda matan mu muka ba su su da kansu ne suke gama suna cewa ice ya ƙara kuɗi ba kamar yadda muka sani sai dai wasu al'umma suka daina amfani da iccen tuyon suka rungumi aiki da gas suna ganin ya kamata al'umma su rage dogaro da iccen tuyon saboda suna ganin ko bayan da wannan matsalar ta ruwan sama da haddasa ɓacewa iccen suna ganin akwai lokacin za a nemi iccen tuyon a rasa gaba ɗaya kasancewar alit tana cikin yankin sahara mama alashi bube yana mai cewa ni na san da irin gada dama tana iya ta zo saboda karancin itacen da ke da kwai kaɗai ya kamata a ce dama wanga abin ya wakana to ya kamata a ce gwamnati ta ɗauki matakin wayar da ma jama'a da kai na su rika aiki da gas tun da yanzu muna da petrol a ƙasa kuma cikin harka petrol kowa san gas na hudu kenan harka ice ya kamata ya kasance cikin tarihi ana dai samun wannan matsalar ta yankewa icin tuya a kowace shekara sai dai ta wannan shekarar ta fi tsanani abin da ake danganta da yawan ruwan da aka samu a wannan yankin ƙarshen rahoton kenan Merci Moutar, Merci Abdoulaye pour ce reportage à chers auditeurs et notre tour en musique. Cette fois-ci, on vous offre l'un des titres les plus anciens du rap yes, nigérien, Tumfonda du groupe Waswang. On kiffe. Cap sur le Chimifonda 2002. Yes. Dingiza, dingi dingiza. Chimifonda. Mwazava. Kujama gama. Hey. Sufasagano, mwara wasansi korufa. Lebonsola. Lebonsola. Hey. Masamo Chimifonda. Hey. chiesa me mi fonda? Ma passa fa hey. Facciamo ancora gamba hey. Se pensa che non muora o foro fa Le posso là Le posso là hey. Ma sa voce ne fonda Yes dingi Dinghi dinghisa Chi mi fonda? Ma passa fa hey. Facciamo ancora gamba Gargano, Mora, was sanctified. Les boss sont là, les boss sont là. Ensemble, je me font la peine. Now they was one, got plus one, got it was sneaker. Ce nigga, ça me was fan. fun, nigga, was sanctified. J'ai choisi ma voie, against la communauté de tarés. Ceux qui sont sans pitié, flot, mange, black, de cliché. Ne songe qu'à faire du monde en empoisson dans ma société. On boy, we ready to fight. Don't lie, don't be afraid to die. I got a dream, cause I wanna fly to touch the sky. This world seems open and twin. My brother's game, root, root, just right, simple like me, my family from the personality where I swung. I gotta came for people who check my tradition as an distraction, I follow the voice of Jimmy as a solution for them. I got a power to punish all these motherfuckers. Iblis, I just wait my area. Don't worry, broad hood greed, I got a nilla. In that true company, I'm just soldier. The soldier of was wanga. It could touch me fonda. Dingiza, dingy dingiza. Give me fonda. Mawazava, hey se gano oh, mora wa sansi forufa oh, leposola leposola masabo jeme fonda han dingiza dingi dingiza give me fonda mabasafa hey kucha magora gama hey sobe se gano mora wa sansi forufa leposola leposola masabo jeme fonda yes nak nak ne nak nak nak ne ama ala wadan nak shilala jisi mem langa fond couilles, des fripouilles, des mecs sans couilles qui sans cesse mouillent. Ne parcours d'un sale magouille, mais ne sont pas de l'embrouille. Ne brûle ne serait-ce que l'andouille que de la cour de C'était Tim Fonda du groupe Waswanga. C'est nous restons à Niamey pour le reportage à région. Oui, Mariam, le gouvernement nigérien a adopté des décrets créant la Mazumawa Gold Company et la Trimersol National Uranium Company. La création de ces deux nouvelles sociétés minières aura pour objectif d'assurer euh, l'exploitation souveraine des ressources minières du Niger. Elias Boubacar, acteur de la société civile, explique les changements qui peuvent apporter la création des deux nouvelles sociétés minières au Nigérien. Le micro de Rafi Abdoulaye Mossi. Monsieur Elias, quel changement peut apporter la création de des sociétés minières au Niger Le changement que nous avons normalement le droit de nous attendre, c'est celui d'avoir une emprise sur euh, l'ensemble de ces richesses-là que nous avons. Notamment, ça devient en fait des instruments de souveraineté parce que désormais, ils auront la responsabilité non seulement d'exploiter, mais aussi de pouvoir commercialiser. Donc, à travers cette création, nous décidons d'être euh, propriétaires réels de l'ensemble de nos richesses euh, minières et pétrolières à travers ce, processus. Un autre euh, avantage, ça veut dire que désormais, nous-mêmes, on aura la possibilité de transformation sur place. Nous sommes que sur la chaîne de l'exploitation. Il va y avoir de l'emploi pour beaucoup de Nigériens. Il va y avoir aussi beaucoup de richesses pour les Nigériens parce que nous sommes exploiteurs et transformateurs. Et on sait que la matière première, quand elle est transformée, elle coûte plus cher donc ça veut dire que le Niger va être dans une possibilité de pouvoir gagner énormément de sous. Et Dieu seul sait que la période dans laquelle nous sommes, nous avons pleinement besoin. Et ça va aussi permettre au Niger de résoudre un problème, c'est celui du chômage des jeunes. Maintenant, peut-être le grand défi, c'est celui de l'adéquation de la formation des Nigériens donc à la nouvelle responsabilité qui est celle de la transformation. Et ça va appeler donc nos universités et nos instituts à pouvoir modifier leur euh, structuration de formation, leur curricula de formation en vue de prendre en compte et permettre aux Nigériens de jouir pleinement de cette richesse plus on crée de l'emploi, euh, plus la richesse euh, naît et plus les Nigériens vont se sentir dans la possibilité de pouvoir adresser les défis de la vie, qui sont les questions non seulement de dédications de leurs enfants, mais aussi la question de la souveraineté alimentaire qui se pose. Au lieu que ce soit d'autres qui nous produisent ce que nous allons euh, pouvoir manger, nous-mêmes on peut créer donc des industries ou agroalimentaires en vue de pouvoir contrôler notre alimentation. La première des souverainetés, c'est d'avoir celle alimentaire. Donc ça va nous permettre d'avoir non seulement des richesses, mais aussi les moyens de pouvoir euh, créer le cadre en vue de pouvoir résoudre ce problème épineux qui est celui donc, de la souveraineté alimentaire que nous vivons presque chaque année de notre vie. Quelles peuvent être les attentes des Nigériens Les grandes attentes des Nigériens, c'est que ces richesses-là profitent aux Nigériens que désormais le Nigérien puisse avoir un emploi, que désormais chaque Nigérien qui est malade puisse se soigner chez lui, n'a pas besoin d'aller ailleurs. Ce sont ces attentes-là que les Nigériens de la création de, de ces sociétés-là. Donc la richesse accessible et disponible et l'éducation et les cadre des, soins de santé, également un environnement sain et une sécurité assurée à travers l'ensemble des richesses. Parce que la sécurité a un coût. Et le coût, par exemple, les armements. Les armes, il faut excessivement avoir de l'argent pour les acquérir. Donc on en aura. D'autres aspects aussi, ceux qu'on engage comme combattants, certains c'est par misère ou c'est par manque de quoi faire qu'ils s'engagent dans ça. Mais quand ils trouvent de l'emploi, vous allez voir que, Inch'Allah, les questions de sécurité vont pouvoir, euh, comment on appelle, se résoudre d'elles-mêmes. Donc les attentes des Nigériens, ce que ces moyens-là soient investis pour assurer la sécurité, la santé, et euh, la souveraineté alimentaire, l'éducation et l'ensemble des autres besoins de la vie quotidienne de être humain. Et euh, l'attente des Nigériens, c'est que nous puissions être une puissance comme toutes les autres puissances qui ont profité de leur richesse. C'est ça que les, Nigériens attendent de cette euh, ressource, de cette manne, qui est donc notre or et les autres euh, ressources dont font l'objet de la création des sociétés d'exploitation et de commercialisation. Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Chers auditeurs, c'est l'ère à et notre chroniqueur sportif Adam Saheru est avec nous dans ce studio. Bonjour Adam. Bonjour Mariam, bonjour Seno. Bonjour Adam. Alors Adam, quels sont les sportifs euh, dès ce matin D'abord, euh, nous allons en basketball où nous allons revenir sur les deux finales en dames et en messieurs de la première édition de la Coupe Kimbakolo qui se sont déroulées hier sur le parquet du palais du 29 juillet de Niamey. Les deux finales qui ont, euh, les deux finales qui ont rendu les attentes des supporters au panier du ballon au panier du ballon rond, autant pour moi, avec euh, la victoire en dame de Dream Team face aux jeunes basketteuses du Sahel sur le score de 70 à 57. Chez les hommes, c'est l'AS Nigelec qui s'est imposé devant l'AS Garde nationale sur le score de 73 à 47. Adam, euh, parlons à présent d'arts martiaux avec euh, la clôture du tournoi de taekwondo à Niamey. Alors, c'est toute euh, catégorie confondue, du Benjamin au senior, qui se sont donné rendez-vous au Palais des Sports de Niamey du 26 au 29 septembre dernier. Au cours de ce tournoi qui a réuni plusieurs clubs, c'est l'association sportive de la Garde nationale qui a remporté la première place et, qui gagne une somme de 500 000 francs. L'association sportive de la police nationale, deuxième avec une enveloppe de 300 000 francs. Le club de Sabongari remporte la troisième place avec euh, une somme de 200 000 francs et le club Ilmi quatrième avec une enveloppe de 100 000 francs. Rappelons que l'objectif de ce tournoi est de permettre aux jeunes taekwondoistes nigériens d'avoir de la compétition en jambes. Chers auditeurs, c'est tout pour aujourd'hui. À demain avec euh, un autre numéro sportif. Merci Adam, à bientôt. Chers auditeurs, place à présent au portrait du jour. Aujourd'hui, le portrait nous amène à la découverte d'une adolescente du nom de Firdausi Masoudou. À tout juste à 17 ans, la jeune fille excelle dans la fabrication des meubles chambres de poupées pour les enfants. Son portrait avec Samira Rouafi. A lokacin bashe kolin mata masu sarrafa kayayyaki na birnin Gaure muka samu gana da matashiya Firdausi cikin fara'a da walwala tana kan ruhatta inda masu kawo ziyara suke duba abubuwan da ta yi matashiya mai shekaru goma sha bakwai tana ajin Trazium amma duk da haka wannan ba hana ta ta gudanar da waɗannan ayyuka da take yi tare da katako da kusoshi da sauran sauransu kayayyaki domin kera kayayyakin wasa na yara ƙanana ya ta koyi wannan aiki ga abin da take cewa. da wanga da decoration na wasan yara tabul tele a da koli duka dai kayan daki decoration na wasan yara baba na ya koya mai zai ne kuma yana yin su dai tun muna ƙanana ya koya mu shi sai da nake kuma ana sai alhamdulillah complete da gado da kafin da arma ensemble dai haka mhm. tuka mil section second gidan mu dai ne nake hidowa ina sai in aje a tsare mani na dawo daga ecole in ci gaba da kula da su matsaloli da kalubale ba ta fuskantar su domin matashiyar tana tare da yan uwanta a kusa kayayyakin da take amfani da su tana samun su a cikin sauki a sai da su kasuwa haka goma masu nake sauka yake na contact planting da su kwal duka baba na ke bani ta yin sau in na yi na saida kuma ba sai an bani ba in na hidda riba na je ta yin sau da su amma mata nake ba ta na shi wallahi ana samun riba sosai sai ana samu Babanta Masa'udu kafinta ne na katako da karfe yana ta kuma cikin farin ciki ne yake yabo da wannan aiki na diyarsa. Ya ta ce kenan kamar gadon shi ne ta yi Ni ke yin su kuma yanzu da na bar musu wannan. kuma ba wanga aiki kadai ba ne wanda kaga suna yi suna yin har su duka ita ta ga dama ta ga tana yana birge ta ta shiga to yanzu haka zuwan ta nan wurin sai da muka samu permission na administration din su ne suka bata permission yanzu akwai kannanta duka da yannanta duk sun iya wannan aiki na menizeri kuma apprentissage ne gare su kasancewar ta a baje kolin birnin gaure ya ja hankalin wasu uwayen yara da suke kira gare ta da ta koya ma yaran su aiki a lokacin babban hutu Voilà, chers auditeurs, à l'instant, c'était bien le portrait Place. par Samira Roy Studio par euh, Mama Ada. Tout à fait. Alors, euh, cette fois-ci, on va aller avec euh, notre euh, dernière musique de ce matin. Il s'agit euh, du titre Lago Ezo de la formation Ones Kangalala. Lago Ezo, Volando. Boss Music. An de la go. Est-ce qu'on est prêt pour elle à nous? pour elle En un clin d'œil, on veut la go. Est-ce qu'on est prêt pour elle anneau T'as déjà validé la goézo. La goézo pour l'anneau. Belle est calée dans la démarche. aucun que ça quand elle marche. Le modèle est top, faut tes visages. Qu'elle a de la soif, faut tes images. Tous ces caprices, moi j'ai bricage. Le gain pour la go, on dirait classe. Deux cartages, moi je m'y attache. Gros fond, sans aucun gage. Ça sent le love. Mais mes délires ne vont pas jusqu'à la gare. Sans le vouloir, je deviens la star. Quand bien même je sais que si suis de toi. Magali Mais il me suffit de voir une autre. un on veut la gauche Est-ce qu'on est prêt pour elle à mon cerveau me dit vas-y, vas-y, vas-y. Oh, vu qu'elle est sexy, elle est jolie. Au rendez-vous, il y aura beaucoup de folie. Je me pose mille et une questions. Est-ce de l'amour ou une passion? Je sens mon cœur s'emballer pour elle. Comme quoi est ce que je reçois un cadeau de Noël. Ça sent le long Mais mes délires ne vont pas jusqu'à la gare. Sans le vouloir, je deviens la star. Quand bien même je sais que je suis fan de toi. Mais il me suffit de voir une autre. En un clin on veut la go. Est-ce qu'on est prêt pour elle A T'as déjà validé la goeso? Est-ce que t'es prêt pour elle à En un clin on veut la go. Est-ce qu'on est prêt pour elle No? T'as déjà validé la goézo. La go pour l'anneau. La goeso pour l'anneau. La goeso pour l'anneau elle Cette chanson annonce la rubrique Lotti offerte par l'équipe femme du studio Kalangu qui parle de l'allaitement maternel. Oui, Mariam, il est conseillé aux mamans d'allaiter exclusivement leur bébé au sein pendant euh, les six premiers mois et de continuer aussi longtemps qu'elles le souhaitent tout en introduisant progressivement une alimentation plus variée. Le lait maternel est facile à digérer et fournit la plupart des éléments nutritifs dont les bébés ont besoin pendant leurs six premiers mois. Il présente de nombreux avantages pour la santé de la mère et de l'enfant. Des études suggèrent que les bébés allaités ont un score d'intelligence plus élevé. Et eh bien, en effet, il est certes bien d'allaiter les enfants, mais il faut les faire dans des conditions hygiénique. L'équipe femme du studio Kalangou s'est intéressée à la question. Écoutons-les. haga igo ni gani si yin su ba ka info kai ka info igo goka. assalamu alaikum assalamu alaikum yani ibuno goga he ya ci ne da bani no wallahi ya bani samai haga dai na goma to an wayan dimi ifano ni goga batu ni bai kan asibori ibna zanka goga he ya ci ne ga genta ne ya ki ga wallahi ga bai cewa to a suran dimi wadin dai ne ga bai mti ai ma zuman da dai bando waga gagayi ingino tikati yan wo kan ga agomu zai in tonka da mai zai ga Hmm. zarmai no gane gunda kan ga haraigo asima asidi hmm. kai gidi ai mana nan de da man tiya din kula si danga irin mu fa faka ga kai nufu ta yi izo a ta ta ga han he he he ifa no ni bagte kai gina ifa no ni bagte ya kino kai be mana nan di no na nan di din kan ba zibai wo nin kan na kwara wo kulu windi ha kai ne ni ba ni min izo na nan din kan ba zibai halai ga fatta window ga subo kalkan yimin hmm. mai aima bai bere konaygene bor minga kambo yum hal niga ko cananandi ifo sege kambo mu zama dori fo yamma sidu gadi se mm, so bun boni gane sai mti haifo ha a mun tono dingina bere ga bore yamar kan bore mu haggoi da hananiya zama a ga bore no ko kiya ga hamba no se irin san musliman kaina safuno dai kan gwanda hau a mahima bari mu gwaida zama a ga kura hau bar mai cogo ba zai cin fa dai fo koi ne koi ne mu igba mu bar mu gwaida fa degara kan si gane suciyan ni fa fai masidu ga ji yajin mono ni min mu sor hinza hani zora aha hayo kan goce sai mu yadi no ni man tonton haikulu Hmm. wani rike kan ni wani si ba kwai ni siyan wodo wala shawara yan no ki guno wai borai kan ga nanan disi ni bai kan loktor kwar borai igi borai lakalai candi kan ima ha da hananiya sama zankawo a ga dori dino delu wallai sabin sai kani ne fongan da wani yankulu ne bai zan zankano kan ga hegumu masha Allah da sun tinga kati mu haikul gano ne dinya. ai sabu gumgumu irgudu fa kare son wakai zama doga dangai ni wani him gwaibar bar mai da no <laughs> ha manti goy bar mai yan sani no ani ga ikyor doctor adin bai mi ado dai nay du haye yau kulu koy ne mo manti ya mono inda kai wat kulir go charbande aga don don da haibobu bobu ya hey dindu lokaci maka irin fakare ai hay bobu ki ni se rati si ba mu rayi insha Allah ikyor hani zo wa ai kudu dama kun duga haya wo sola mai gwangi tantani to bir koy mirke ba Voilà, c'était là le loti offert par le desk femme du studio Kalangu. Chers auditeurs, l'émission Le Niger sur Kalangu, c'est aussi euh, de la culture linguistique. On voyage à travers les mots et expressions. Et ce matin, nous recevons Moussa Hassan pour euh, nous expliquer le mot traduction en zarma. Bonjour Moussa. Ah, bonjour Mariam, bonjour c'est nous. Eh, comme annoncé, eh, euh, c'est en culture linguistique, le mot du jour est traduction, qui veut dire en zarma ou nu nyamar ga bambata oni a wani sanka waye kindi fanta jerin da zanguyin kan waku kindi a konta kan gairi kamba da ke ji zambarin kan diwo kindi ya mai hando ji buran kin ta cha ara ino ina zaro september hando a jirburan za jiri kuluka wallafi yungu maga dunya da bai fi azur matara zarika alfarmara borai gice cika bai ifoti wallafiya wallafiyan da giti cinafo bare cinafo gayan kalmai zano sanni zifono wala sanni bobono bari bata kan ig bare cina fora silman kaina cewen tire kai gite borfo gan tira hantuma ingilis wala faransa cire wala cina foga borfo ga fi zarma sanni faransa wala shin wa sanni ga kan ganan bore ni kan cira ta mu in fahamda ya dinga wallafin wani dinga mu da bayan cebobo bobo ta ya kan borabun buhan tun kunni gudu masu kano kai na fogo kan ga gaze amma hankan na im faham dawo a gono zaror ki kandu nyala ni kura wallafi ngo fondara zari no kangana imawdi nafa kan fi ngo kande undu nyawara silman kaina a ganan labai ima charku bai ga wafuku gate afu im faham charse borem salangi mera am dogon yadi no bore im duga fahama im duga wafa kai fonde sokor ko gorandi zada yammate bani la kane gora mo ima tabbatan di undunya fi azur matara yadin ga sanne wala fi ngodin fonde kulura dogo ne no zama da bore si fam chersi hay kunu siti irsabu merci moussa à bientôt Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, en hausa, en zarma, en tamashek ou en fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou message écrit au 82 89 89 64. Il est temps pour nous d'écouter les messages vocaux de nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. studio na samu amfani sosai da ita tunda ina sauraron ta kamar wajen la'asar haka kuwa ina sauraron ta sosai da sosai bisa labarun da take ko ina na jaha jaha da na labarun kasa duka dai har na ketare ma kuma ina ci gaba da saurare kuma ina karuwa da su kuwa so tubi su kai ga harakan matasa wannan da suke ina ma studio kalangu barka eh, shekara takwas ba kwana takwas ba ne kuma ga dukkan alama na lura radio ne wanda duka faɗin Nijar ana sauraron shi a hakikanin gaskiya radio ne wanda ina sauraron shi jehi jehi Eh, amma duk sauraron da nake mashi na ga duka suna tattaba ko'ina matasa tsofi rishin lahiya ina musu fata alheri Allah ubangiji ya sa ci gaba da haka tsayina na ma'aikacin likita ina ƙara jinjina musu da suna taɓa kiwon lahiya to gaskiya cido kalangu fa emission ce take katar da kowa da kowa wanda da yake swift kinta yana katar da mu kwarai kwarai saboda abubuwa ne da suke tuna da da galgajiya duka kenan saboda shine suke burge ni kuma ina kira da a ci gaba da yi saboda yaran mu suka mance da galgajiya a rika sa musu don su san da lokacin da da ne yanzu ba ɗaya ne ba to suna na dai abdu da kakan studio kalangu gaskiya ba da shirye-shiryen ta duka dai shirye-shiryen ta duka muna jin daɗin su babu na yada amma muna sa haido mana shiri wanda yake muna iya buga waya mu abin da muke so shi muke bukata gari. ku eh shiri wannan suke na muhawara muna jin daɗin shi kwarai kwarai ko mun samu amfani ga radio kalangu kwaran gaske musamman ma ko wani shirin suke lokacin nan a bara din nan suna zuwa cikin gunduma ko kuma jihohi suna tambayar mera mera din nan muna samun labaru yadda ya kamata sosai bugu da kari kuma radio kalangu radio ce mai bada labari yadda ya kamata radio ce wanda duka yan kasa wanda ka san kalangu a kowane lokaci muna kama ta kuma na sauraron ta gaskiya studio kalangu gaskiya mun shi daɗin ta duk wani labaru muna samun cikin studio kalangu wannan vraiment abin yayi kyau ni a matar kinta ne ko suivir kinta ne ke faza fa cikin radio kawusan na dauka ina jin duka wani da ba da ake yi cikin studio kalangu waye duka yana kara waye cin mu kai vraiment ina jin daɗin studio kalangu muna jin masu ilimi da yawa suna ta ba an faransai da ni na rada da studio kalangu paske ina karuwa da ita kwarai ina samun labaru duka farko dai suna na mamman lawal andre wanda aka yi sani da magudi a nan garin arlit radio kalangu musamman akwai shirye-shirye da suke yi na sunayen shi da hausa sunayen shi da buzanci wajen harkar zamantakewa na ɗa namiji tsakanin shi da ya mace wannan musamman yana wayewa mutane kai game da aje in za a aure aje a ɗauki jini a ga menene in kuma zama ma kuke yi da ya mace Allah kiyaye a san irin zaman da ake yi saboda a kare tsakanin juna saboda akwai rashin lafiya da ke ta zamani da ta yawa wannan yana bin shi sau da kawa cikin tsare-tsarenta da shirye-shiryenta da take banga na yaddawa ba Voilà, chers auditeurs, les Hindadi Karewa, ici prend fin notre émission de ce mercredi 2 octobre 2024. Vous étiez en compagnie de Seno et Mariam Adé. C'est un plaisir de partager cet instant avec vous, chers auditeurs. Chers auditeurs et auditrices du studio Kalangu, on s'est dit à 17h pour notre programme des déserts qui débutera avec l'édition en français. Merci à Kader Chembiano qui assure la technique et Moussa Hassan l'édition qui a rendu possible la réalisation de cette émission. Bonne journée à tous. Bye bye.